Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annoncé le 15 juin 2021 que l'essai clinique de son traitement par anticorps pour prévenir les cas symptomatiques de la COVID-19 n'a pas prouvé son efficacité lors de la troisième phase d'essai clinique. Il s'agit en réalité d'un traitement par anticorps monoclonaux. Ce type de traitement est connu et utilisé depuis de nombreuses années pour soigner des maladies chroniques ou certaines formes de cancer. Aussitôt l'annonce faite, des publications trompeuses faisaient croire qu'il s'agissait du vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca qui était inefficace, ce qui est totalement faux. Au Niger, cette information a été largement relayée dans la messagerie WhatsApp, mais également sur certaines pages Facebook comme Souvol le Niger. Alors, de quel traitement s'agit-il Le traitement ayant fait l'objet du communiqué par AstraZeneca porte le nom de code AZD 7442. C'est en fait une autre méthode basée sur des anticorps monoclonaux contre les symptômes de la COVID-19 en étude clinique de phase 3, la dernière étape avant la mise sur le marché. Le communiqué est disponible sur le site web de la firme biopharmaceutique. Selon l'entreprise biopharmaceutique, l'essai qui a été mené sur 1121 personnes non vaccinées âgées de plus de 18 ans qui avaient été exposées à une personne contaminée par la COVID-19 au cours des 8 jours précédents. Bien que le traitement ait réduit le risque de développer un cas symptomatique de 33%, ce taux n'est pas statistiquement significatif, peut-on lire dans le communiqué. Il faut rappeler que selon l'Organisation mondiale de la santé, le vaccin AZD 1222 d'AstraZeneca contre la COVID-19 a une efficacité de 63,09% contre l'infection symptomatique par le SARS-CoV-2. Des intervalles plus longs entre les doses, de la fourchette de 8 à 12 semaines, sont associés à une plus grande efficacité vaccinale.